forum Calam, le forum studio le forum distrido le forum studio le forum le forum le forum le forum le forum le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalango Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berlingaoué, Chirozérine, Magaria, Menesoro, Tamaske, Bouza, le Essay. N'oubliez pas aussi notre site internet euh, studiokalangu.org et la page Facebook Studio Kalango. Dans le forum de ce mercredi 22 mars, nous avons choisi de vous parler de l'insuffisance rénale. Des chiffres qu'on a de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2008 dans le monde, les maladies du rein et des voies urinaires contribuent sur la charge globale des maladies à environ 700 000 décès chaque année et pour 14 millions de handicaps. L'OMS ajoute que l'insuffisance rénale chronique est un facteur de santé majeur de santé publique avec une progression annuelle de 8%. L'insuffisance rénale est une réalité ici au Niger, même si la prévalence n'est pas encore connue. Les formations sanitaires, particulièrement le service de nephrologie de l'hôpital national de Lamordé et celui de Zender, enregistrent fréquemment des cas. Pour nous édifier sur cette maladie, nous allons chercher par comprendre ce que c'est d'abord, quels sont ces symptômes, ces facteurs de risque, comment faire la prévention, comment vit-on avec euh, l'insuffisance rénale et surtout comment se fait la prise en charge des malades. Pour en parler, nous avons invité des personnes bien indiquées. Nos invités à ma gauche, Dr Salamat Niaouro du service de néphrologie de l'hôpital national de la Mordée, Niamey. Bonsoir docteur. Merci d'être venu. Nous avons aussi, toujours dans le studio, Adamo Moumouni, le président de l'Association des dialysés du Niger. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous, vous êtes impatient et vous êtes président de la. Et nous avons aussi en direct, en ligne, docteur Hassan Djongole, assistant hospitalo-universitaire et médecin-chef du service de néphrologie de l'hôpital national de Zender. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Merci d'être en ligne. Également voilà, chers invités, merci une fois de plus euh, de venir. Le forum du studio, c'est un espace de dialogue, d'échange pour informer et édifier les auditeurs. C'est un échange, c'est une discussion dans le respect de l'autre. Alors, pour euh, commencer, nous allons bien sûr commencer par euh, définir ce que c'est la maladie. Et ça, je vais donner la parole à, à docteur, docteur Salamatou. L'insuffisance rénale, comment vous la définissez comme maladie Merci. Bon, je vais être plus clair pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et il faut d'abord, avant de définir, il faut d'abord expliquer le travail du rein. Le rein, c'est comme si c'est le filtre de l'organisme. C'est-à-dire que tout ce que vous mangez, ce que vous consommez, tout ce qui est déchet de l'organisme, le rein filtre et vous éliminez ça dans les urines. Les urines, ce n'est pas que de l'eau, c'est les déchets. Tous les déchets, toxines, tout médicaments, tout ce que vous prenez qui n'est pas bien dans l'organisme, le rein filtre et vous éliminez dans les urines. C'est ça. Donc, quand on parle d'insuffisance rénale, euh, se vague. Parce qu'il y a une insuffisance rénale aiguë, il y a une insuffisance rénale chronique. Et avant d'arriver à une insuffisance rénale chronique, on parle de maladie rénale aussi chronique. Bon, en termes plus clairs, insuffisance rénale, c'est quand le rein est défaillant. Le, le rein n'arrive plus à assurer son rôle de filtre. Ça veut dire que les déchets, soit partiellement ou complètement, le rein n'arrive plus à épurer le sang, à éliminer les déchets. Et du coup, quand les déchets s'accumulent dans l'organisme, et là, euh, ça peut toucher tous les, euh, les organes qui sont là. Ça veut dire que c'est des toxines qui sont là. C'est comme si l'organisme est intoxiqué. Donc, du coup, vous allez avoir plusieurs manifestations possibles. Voilà, c'est ça. Merci pour cette définition. On va mm. rejoindre euh, Docteur Hassan, qui est de l'hôpital, qui est des NDR, au bout du fil. Docteur, vous avez entendu la définition de Docteur Salamatou. Qu'est-ce que vous avez ajouté Oui, juste, voilà, je voulais que je remercie donc votre radio peut-être occasion que vous nous donnez pour parler de l'incidence rénale, comme vous avez dit, qui est un problème majeur de santé publique. Et actualité oblige aussi, nous sommes dans le mois du rein, comme on dit. Chaque 9 mars, la journée mondiale du rein et c'était célébré pour notamment euh, faire connaître la maladie, faire des actions de dépistage de cette maladie dans la population. Donc, chaque 9 mars, euh, la Société internationale de néphrologie organise cette journée pour euh, faire sensibiliser donc, la population, faire des dépistages en vue, comme l'a dit ma concert de euh, dépister cette maladie. elle dit c'est vague, il n'y a pas de signe spécifique qui est là. Surtout l'incidence chronique, elle évolue à bas bruit. Le moment où le diagnostic est fait, comme elle a dit, les dégâts sont déjà là. Donc vraiment, c'est pourquoi c'est la prévention qui est des Je pense que dans la suite du débat, on en parlera davantage. Merci pour cette définition. Nous allons revenir au studio pour donner la parole au président de l'association des malades, euh, M. Adam Mouni, qui vous avez écouté les définitions techniques. Vous, en tant que malade, si on voulait définir l'insuffisance rénale, ah ben, comment vous la définissez Les techniciens viennent de vous dire. Moi, je ne peux que je ne peux pas dire plus que ce qu'il vient de dire. Hmm. Et donc, j'aurai euh, j'aurais à apprécier tout à l'heure. J'aurai hmm. J'aurais à vous donner mon avis sur la vie des malades. Absolument. Comment ils vivent et ce dont on a besoin à ce moment. Hmm. Justement, vous êtes malade depuis quand bah, Je suis malade depuis 8 ans. 8 ans que vous vivez avec l'insuffisance rénale Oui, ça fait 8 ans, mais, moi j'ai vu, il mon collègue de Tunisie, le président des associations de dialyse de Tunisie, ça fait 42 ans qu'il fait la dialyse. Ah. Et il vit avec la dialyse depuis 42, ans. C'est dire qu'on peut vivre avec la maladie. On peut vivre avec la maladie. Il suffit ben, il d'être suivi. Maintenant, nous avons des néphrologues qui sont là. Nous, avons les machines. Maintenant, c'est aux malades de suivre les conseils et de, de de faire certaines choses tout ce qui est interdit. Avoir un bon comportement. Un bon comportement, c'est tout. Euh, pour toujours dans la définition, nous allons un peu progresser pour parler des manifestations. Comment l'insuffisance rénale se manifeste Et bon, les manifestations, c'est vague. parce hein, puisque je vous ai dit, c'est comme si tout l'organisme est intoxiqué. Donc, euh, tous les organes peuvent être atteints. C'est-à-dire que je vais vous donner juste quelques exemples. Pour certains, ils vont présenter juste des fatigues la fatigue. La fatigue. Oui. C'est un premier aspect. Oui, ils vont se dire qu'ils sont tout le temps fatigués. D'autres vont vous dire que d'autres c'est le hockey. Le hockey. Le hockey. Mhm. D'autres c'est les vomissements. Ça dépend, ça, chacun, ça dépend de tout, de l'organe quoi, de l'organisme. D'autres c'est des vomissements. D'autres vous allez voir, ils vont se mettre à saigner. D'autres c'est juste une tension. vas voir, ça veut dire que la tension est élevée. Peut-être vous avez des mal, de céphalées, bon, maux de tête. Vous avez des maux de tête, vous allez partir constater, on voit que la tension est élevée. Maintenant, en cherchant les causes de cette tension, on tombe sur une insuffisance rénale. Parfois, vous allez voir le malade qui, euh, qui gonfle le visage bouffi, les pieds gonflent, ou bien d'autres, ils n'urinent pas du tout. Ça, c'est les premières manifestations Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être une première manifestation, tout comme ça peut être secondaire. Ça dépend. Ça dépend, c'est au cas par cas, en fait. Il n'y a pas de signe spécifique, non. D'insuffisance rénale Non, il n'y a pas de signe spécifique. Puisque, étant donné que tous les organes peuvent être atteints, donc ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Ça dépend de comment l'organisme répond à l'agression. On verra avec euh, le hmm. euh, monsieur Adamou. Mais en attendant, je vais rejoindre, euh, je vais appeler, on va, on va écouter les explications du docteur Assam docteur, est-ce qu'il y a un pourcentage qui qui, qui détermine, disons, l'insuffisance rénale. Est-ce qu'on peut dire à tel pourcentage, c'est une insuffisance rénale oui, comme euh, l'a dit ma confrère, il n'y a pas de signe, il a pas de signe spécifique. Pour dire qu'il y, a une insuffisance rénale, il faut forcément qu'il y ait des examens. Donc le dosage, l'azotémie, surtout la créatinine. Et euh, la créatinine, donc c'est ça qui nous permet d'évaluer le niveau de fonction rénale. C'est quoi la créatinine la créatinine, donc une substance qui est musculaire, donc euh, euh, c'est à partir, c'est un marqueur, comme on dit, c'est un marqueur qui permet de déterminer le rôle du rein, mais c'est comme un marqueur qui est imparfait. Donc ça nous permet d'évaluer la fonction rénale de l'individu pour faire comprendre la population. Donc, c'est quand on fait ces dosages en fonction de certains paramètres, âge, la race, euh, ou bien le poids, Hein, on dit que fonctionne, pour être euh, terre à terre, fonctionne à 10%, 40%, mais c'est des unités à 1000 litres par minute comme ça. Donc, on dit qu'il y a une utilisation terminale, en ce moment, théorème fonctionne à moins de 10% pour euh, utiliser les jargons avec lesquels on explique aux patients. D'accord. Euh, nous revenons au studio. Euh, Monsieur Adamou, vous, comment est-ce que vous avez su les premières manifestations Il a fallu aller à, l'hôpital ou bien euh, qu'est-ce qui vous a amené Pour moi, c'est un peu plus compliqué. J'avais des calculs. Hein. Ça fait déjà 8 ans, hein Oui, j'avais, ça a commencé par des calculs rénaux. Calculs rénaux Des calculs rénaux, j'ai commencé à pisser du sang. Et j'ai vu ça, je suis allé à Bijan me faire traiter. Bon, ça n'a pas marché, je suis revenu. Et je, je suis reparti immédiatement en France, à la pitié salpêtrière, pour voir. Ils ont, ils ont, brisé, ils ont, ils ont brisé les calculs euh, euh, à la pitié. je suis revenu, mais ça, ça a repoussé. Jusque-là, vous n'avez pas, euh, ce n'était pas entendu que c'était une insuffisance. Non, mais ce n'était pas une insuffisance. Ça, a repoussé. Je, voulais parler, hein. je voulais dire que la prise en charge de, de l'insuffisance rénale. On va revenir à cet aspect-là. Non, mm. je, voulais, je voulais dire oui. Euh, une chose. Les, les, les malades, certains malades, beaucoup de malades même, passent dans les hôpitaux, dans les CSI, dans les autres Mais ils ne font, pas, ils, font pas les examens nécessaires pour savoir. Et quand ils viennent à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Ils sont fatigués. On a vu beaucoup de cas, des gens qui viennent de l'hôpital national de Niamey, où le, diagnostic a été mal fait, et ils sont là, ils, viennent, ils, viennent mourir. Parce que l'absence rénale, là, ça ne, ça, pardonne pas. À, un certain, à ça ne pardonne pas. Bon, vous, avez eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, puis en France. Oui. Finalement. Et, j'ai fini par euh, le Maroc. Je suis allé au Maroc. Parce que ça a poussé. Je suis reparti au Maroc pour qu'on m'opère les reins. Ils ont opéré les reins pour sortir les calculs. Ok. à quel moment vous étiez informé que vous êtes insuffisant rénal Mais j'ai été informé. Euh, bon, c'est après mon retour de, de Paris que j'ai été informé. Et le médecin m'a tout de suite dit d'aller faire une un eh, machin, euh, une fistule. Je suis allé faire la fistule. Il m'a dit, après la fistule, viens faire la, la dialyse. Ici à Niamey ou bien Oui, à Niamey. Ah. Et, et, quand je suis entré dans la salle de dialyse, j'ai vu les gens en train de faire la dialyse. J'ai eu peur. Je suis reparti. Je suis reparti pendant trois ans. J'ai refusé de faire la dialyse. Le médecin, lui, savait que j'allais venir. Et un beau matin, on m'a amené, j'étais dans le coma je, me souviens, ce médecin a dit de ne pas me prendre. J'allais mourir. On va revenir sur cet aspect, mais en attendant, on va parler des causes. Qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale, docteur Salamatou Tout peut causer l'insuffisance rénale. Tout. Une maladie, par exemple, même un palu simple, mal prise en charge, quand ça devient grave, ça peut toucher une insuffisance rénale. Une simple déshydratation maintenant, surtout précisément dans le cas des Nigériens. Euh, nous sommes en période de chaleur. Nous sommes en période de chaleur et les gens ne boivent pas beaucoup d'eau, soit disant ils ne veulent pas aller fréquemment aux toilettes. Et là, la déshydratation, ça peut entraîner une insuffisance rénale. Et les médicaments traditionnels, la phytothérapie, ça peut entraîner une insuffisance rénale. Même les médicaments qu'on prend, les médicaments de la rue, sans prescription médicale, ça peut entraîner une insuffisance rénale. En un mot, tout, même certains aliments, tout, tout peut entraîner une insuffisance rénale. Docteur Hassan, qu'est-ce qui cause, euh, quelles sont les autres causes de, l'insuffisance rénale Oui, les autres les causes qui sont les plus connues, euh, c'est l'hypertension artérielle, le diabète. L'âge avancé constitue aussi voilà, une étiologie, une cause de l'insuffisance rénale. Maintenant, vous avez aussi l'existence de certaines anomalies dans les urines. On en parlera. Par exemple, il y a des éléments normalement qu'on ne devait pas avoir dans les urines. La personne les prend durant les années et ça va finir par euh, gâter le rein par après. Quel, élément Vous parlez d'éléments quel, type d'élément Il y a par exemple la protéinurie. Euh, elle ne devait pas dépasser une certaine valeur quand on essaie de faire la bandelette urinaire puis le dosage. La, la, S'il vous plaît, docteur, la, la protéine est de 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire il, y a une, euh, Dans les urines, il y a une quantité qu'on appelle physiologique. Par exemple, elle ne doit pas dépasser 300 mg par 24 heures. Vous allez trouver des individus avec 4-6 euh, grammes par 24 heures. Or, actuellement, les facteurs de dégradation rapide de la fonction rénale connue, c'est l'hypertension APL et cette protéinurie qui est dans les urines qui est pathologique. Quand on oh. verra euh, les grands actes du traitement, c'est sur ces deux-là que nous allons jouer. Euh, nous allons essayer de détailler, D'accord, merci pour ces Peut-être, docteur Salamot, vous avez, sur l'urine, vous avez quelque chose à ajouter avant de... Non, en fait, en fait, comme il parlait des protéines là, c'est des protéines dans les urines, en fait. Normalement, euh, au niveau des reins, nous avons ce qu'on appelle... Non, c'est une protéine. Oui. Les protéines, vous connaissez les protéines. Normalement, on ne devrait pas les avoir dans les urines, ou bien la quantité, elle est infime, quoi. Donc, mais dès que ça dépasse cette quantité, donc là, 300 mg, là, ça c'est devenu pathologique. il, faut, il faut arrêter. Monsieur le Président, Adam vous, les, causes, on est en train de parler des causes de l'insuffisance rénale à votre niveau. Effectivement, comme l'a dit, et si vous prenez dans les États-Unis ou bien la France, dans les grandes puissances, c'est surtout le diabète en première ligne. Mais si vous avez, nous ici, c'est surtout l'attention. L'attention. Mais Ici, en, Afrique noire, il ne faut pas sous-estimer le truc, le médicament traditionnel. D'accord. Euh, Monsieur Mouni. oui. les causes chez vous, quelles étaient Est-ce qu'on vous a dit c'est telle ou telle autre chose Non, moi, c'était, je vous ai dit, c'est le calcul, les calculs rénaux. Oui. J'avais des calculs rénaux et c'est ce qui m'a causé le, de, de, venir à la, à la dialyse. et voilà, je pour mon cas, mais aujourd'hui, euh, si vous voulez, aujourd'hui, dans l'ensemble, les malades sont bien reçus. Ça, c'est la prise en charge. Nous la sur ça. C'est un aspect à part vers la fin du. Euh, d'accord. Oui. D'accord. Donc, pour vous, c'est les calculs rénaux. C'est les calculs rénaux, pour moi. Nous allons continuer. Après les causes, on va parler des conséquences de la maladie. Docteur Salamatou. Quelqu'un qui a un sujet quelles, quelles, sont les conséquences à première vue Bon. Les conséquences, étant donné, je vous ai tout à l'heure dit que c'est presque tous les organes peuvent être atteints. C'est des malades, que, vous allez voir, euh, ils sont toujours animés, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. sont toujours animés. Ils ont un problème de calcium, ce qui fait qu'ils ont d'autres, ont même des, font des fractures, euh, des os pathologiques, des fractures spontanée des os, il y a les problèmes cardiovasculaires. Qui est là. En fait, il y a plusieurs, mais c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment, qui est l'anémie, le problème des calcium avec les fractures et puis le problème, le cœur, l'insuffisance cardiaque, c'est surtout ça. La majorité de nos patients, c'est surtout ceux qui les importent et on n'oublie pas que c'est un terrain immunodéprimé. Donc, il y a les infections terrain immunodéprimé. cest à hmm. dire que le système de défense est défaillant. Donc, facilement, ils font des infections. Oui. des infections. Monsieur Moumouni, vous, vivez ces cas Pardon Vous vivez ces conséquences Mais bien sûr. Euh, moi, j'ai. La dernière fois, j'ai été évacué pour une intervention euh, de para. Comment vous appelez De hmm. L'État a payé. À, quel niveau euh, En Tunisie. Mais j'arrive en Tunisie, le médecin me dit Mais, mais monsieur Moumouni, vous avez quelque chose de plus grave que ça. Je dis c'est quoi Il dit le cœur. C'est, c'est, c'est, il y a une partie du qui est bouchée. Une partie de votre cœur Oui, de, de, Comment vous appelez les. Les vaisseaux Les vaisseaux, oui. Mm. Qui, sont bouchés. Il dit mais si vous ne faites pas vite, c'est, vous allez. C'est fini. Heureusement, le médecin-chef était là. Monsieur Idé était là. Idé m'a dit non, va faire ça. Et on va te faire ça tu as eu la chance d'être là. Tu es venu. Mais j'étais obligé de laisser l'intervention qui m'a mené. On m'a opéré le cœur. Et pour me sauver. Hmm. Et je vous assure que ils n'ont pas mis 40 minutes pour le faire. Ils n'ont pas mis 40 minutes pour opérer le cœur, pour, tout déboucher et, me dire que ça va. Donc il y a le cœur, il y a quoi encore il y a le cœur, il y a elle vous a expliqué à beaucoup de choses euh, qui. qui, qui c'est surtout le cœur chez nous, là. C'est <laughs> difficile. C'est très difficile. On va observer une petite pause à 18h35, nous revenons au studio et euh, nous allons partir à Zender où nous avons recueilli les témoignages d'un patient. Euh, il s'appelle Ali Abdou, il fait le traitement et je vous propose de le suivre sur l'insuffisance rénale. Vous allez venir réaliser et vous ne payez rien. Seulement vous allez payer votre épargne l'anticoagulant. L'anticoagulant, ici à Zander, on paye l'anticoagulant à 3000 francs la boîte. Là, une seringue d'anticoagulant, on peut faire trois dialyses avec. Si vous avez un cathéter, on, fait, on peut faire deux dialyses avec. Vous, vous êtes infirmier, vous avez de quoi subvenir à vos besoins, vous avez un peu d'argent. Pour les autres, c'est un peu difficile. Je n'ai pas, moi aussi c'est difficile. Moi, je suis contacteur de l'État. Et maintenant, ça me fait même, maintenant, ça me fait deux mois, 22 jours, n'ai pas eu mon salaire. On m'a pas payé et il me faut payer chaque mois 20 000 francs de médicaments, sinon plus. Vous, vous arrivez à le faire Ce sont mes amis qui me payent ça. Tous les autres patients, ils payent. D'autres hommes vendu même leur champ. D'autres ont vendu même leur maison. Vraiment, la seule chance que nous avons ici, nous ne payons pas chaque séance de dialyse. Quand vous payez les 150 000 francs, vous allez continuer à dialyser jusqu'à la mort les médicaments, vous allez payer vos médicaments parce qu'il y a des médicaments qu'on devrait prendre ça à, vie. Il y a des médicaments, les antihypertenseurs, le, calcium, la vitamine D3, le fer. Tout ça, ça c'est des médicaments à vie qu'on devrait prendre. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour améliorer vos conditions de prise en charge Il n'y a pas assez de matériel Et ça se répercute sur votre, votre prise en charge Oui, oui, parce que nous avons, maintenant actuellement, nous avons trop à ces Lesquelles Parce que nous n'avons pas d'équipe de branchement. Les matériels, on n'est pas à Mais on, était parti, on a demandé vraiment où sont nos matériels, la commande. Maintenant, cette personne dit que vraiment, ils ont, fait, ils ont lancé la commande, la commande. Maintenant, jusqu'à présent, ça fait quelque chose de un an. Depuis août, on disait que la commande là va venir en août. Maintenant, août est parti jusqu'à présent, ça fait environ deux ans, la commande ne vient pas. On ne sait pas où elle est bloquée. D'autres pays, d'autres ne peuvent pas payer on, d'autres, on les paye vraiment, on, les branche avec des matériels non stériles. Et eh, maintenant, ça se répercute sur les patients. Vraiment, il y a, y a, des infections. vraiment. Quand on, traite un patient avec des matériels non stériles, vous, vous n'êtes pas informé, vous ne pouvez pas les savoir. Mais quelqu'un qui est informé, on traite des patients, on touche les sangs, on, on ouvre la peau d'un individu on met une vie dans, les, dans les veines de l'individu. Vous voyez, tout ça, avec des modèles non sérieux, ça peut affecter. Est-ce que vous, malade, vous avez besoin de dire aux, gens qui ne connaissent pas l'insuffisance rénale Je les conseille de, vraiment de contrôler leur alimentation. Ne pas arôme magie là, il faut arrêter de prendre arôme magie et, ne pas prendre les produits de la rue, ne pas prendre les produits de la rue, ne pas prendre des décoctions traditionnelles là. Faut pas les prendre. Quand vous vous sentez mal, allez-y dans un centre de santé. Vous venez de suivre euh, un infirmier, Ali Abdou, qui est, qui qui qui est, malade, qui, qui, fait la dialyse. Euh, donc, sur, euh, je vais proposer qu'on écoute docteur Hassan, qui est en ligne et qui est au service de néphrologie de l'hôpital de Zender. Docteur, vous avez entendu les témoignages Oui. Un commentaire avant de revenir sur la prise en charge Oui, bon, comme il l'a dit, la prise en charge, ça demande énormément de moyens. Euh, excusez-moi, euh, les 150 000 qu'ils disent, c'est à vie. Donc ça, il faut reconnaître, que le président va le préciser, média fait partie au monde euh, où la dialyse est considérée comme elle est gratuite, si on peut dire, puisque les 150 000, on, essaie de voir comment coûte une séance et le nombre de séances fait. La, dialyse, docteur, encore. Docteur, une définition de la dialyse pour qu'on comprenne la dialyse, comme la, euh, comment on appelle, le rôle du rat a été défini par ma confrère. Le filtre le sang, ça enlève les déchets et ça permet d'équilibrer l'eau et certains éléments nécessaires, tels que le calcium, potassium dans notre euh, organisme. Ça permet de fabriquer d'autres substances, on verra, qui interviennent dans la fabrication du sang. Maintenant, la dialyse, c'est quand le rat n'est pas en mesure de faire ses fonctions de filtration et de, par exemple, d'éliminer l'eau en excès en ce moment, il faut passer à ce qu'on appelle le rein artificiel. C'est donc la dialyse, on verra, il y a plusieurs types. Euh, voilà. Donc, bon, la seule qui est disponible chez nous, c'est le mot dialyse. Je pense qu'on va parler de ça. Oui, on reviendra aussi sur la prise en charge agendaire. le temps de donner la parole à Dr Salamatou. Comment se fait la prise en charge des insuffisants rénaux En gros, qu'est-ce qu'on demande En gros, pour commencer, si la personne doit dialyser, elle paye, la personne paye le forfait. Le forfait. C'est ça, le 150 000. Ensuite, on commence à c'est la, personne elle-même qui paye oui, ou c'est l'État Non, non c'est la personne qui paye les 150 000. Et quand elle paye les 150 000, c'est à vie. Le traitement, c'est à vie Non, oui, la dialyse, c'est à vie. C'est à vie avec les 150 C'est presque en fait gratuite. La dialyse est gratuite parce qu'ailleurs, rien qu'ici, moi je fais le Sénégal, la séance c'est dans 40-45 000. La science de, dialyse, 40-45 000. Ici, je pense que nous ça doit être dans les 30 et quelques mille, la science. Donc, et si vous payez 150 000 francs à vie, donc moi je dirais que c'est gratuitement. Grâce à l'État Grâce à l'État, oui. Si vous n'avez pas les 150 000, vous faites quoi Bon, là, je ne sais pas ce que les gens faisaient avant. Expliquez-nous concrètement le, terme dialyse et qu'est-ce que ça demande. Ce que ça demande, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que la dialyse la Comment le faire Comment Non, mon, frère Hassan vous a déjà expliqué, mm. la dialyse, en fait, comme le rein, son travail, c'est le filtre, c'est filtrer le sang, et comme le rein n'est plus capable de le faire, maintenant c'est la machine qui fait ça à la place. C'est comme si la machine remplace le rein, point. Combien de fois par, pour le malade Pour le malade, normalement, et trois fois par semaine, mais nous, on n'est pas arrivé à ce, stade pour le moment. Vu les moyens, manque de personnel, manque de matériel, on fait deux fois par semaine. Hmm. Ce qui serait mieux pour les malades, ce serait trois séances de quatre heures par semaine. Par semaine. Par semaine, trois séances. Mais vu nos moyens, donc, on est obligé de faire deux fois. deux fois. Pour qu'on puisse prendre tous les malades, quoi, deux fois. Ça n'a pas de conséquences Deux sur trois pour un malade Bon, ça ne va pas comparer. Si tu fais trois séances par semaine, les déchets sont mieux épurés que celui qui fait deux séances. Euh, on reviendra sur l'aspect matériel. Mm. Euh, monsieur Adamou, vous qui êtes le président de l'association, vous avez écouté un malade, peut-être que vous connaissez. Oui. Euh, votre commentaire sur la. justement, je voudrais revenir sur, sur son commentaire. Et monsieur Ali, c'est le, actuellement, c'est le président de. De l'association régionale de Zener. Régionale de Zender, parce que notre présidente est décédée il y a deux semaines, deux ans. Hmm. Et du fait de l'insuffisance rénale euh, Oui, du fait de l'insuffisance rénale. Euh, je profite de, l'occasion pour présenter mes condoléances au docteur Hassan et à, ses parents et aux malades. Et ce qu'il vient de dire est grave. Ce qu'il vient de, nous dire est grave. Si euh, il n'y a rien. d'après ce qu'il dit, il n'y a rien. il y a un problème de matériel. Il y a un problème de matériel. Mais il y a la dialyse. Oui, mais, qu'il y ait problème de. Il dit qu'il n'y a pas de kit. Donc comment ils font pour dialyser les gens s'il n'y a pas de kit Avec quoi ils dialysent Docteur va répondre, docteur oui, va répondre à cette question. Mais moi, moi j'interpelle le gouvernement. C'est bien, il faut un effort. Le gouvernement fait un effort pour la dialyse, hmm. mais ils peuvent faire mieux. Parce que hmm. voilà le cas de Zender. Ils n'ont pas de kit. Et les parines, ils vendent ça à 3000 francs. Alors que nous, nous l'avons à Niamey à 3000, à 1000 francs. Et nous sommes même en train de protester parce que les parines à Niamey, on ne devait pas, on ne pas l'acheter. C'est le, la firme là, euh, Nippon, qui, a, qui a offert ça aux malades. Oui, revenons sur le coût. la dialyse à 150 000, vous, trouvez ça raisonnable Non, moi Il y a des comparaisons avec les pays quand même. Je trouve ça raisonnable, c'est une caution, c'est pas un machin, c'est pas. Il paye pas, c'est une caution. Au Burkina, tu payes 500 000 francs avant de commencer la dialyse. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai assisté à une scène où on amenait un paysan de la bourse du Burkina parce que j'étais président de, des associations de tous les pays de l'UE. Donc, j'étais là, j'étais témoin. On a amenait un paysan de, Burkina, il n'avait pas 500 000. On lui a dit, bon, on ne te fait pas la dialyse. Ce jour-là, j'avais eu l'honneur d'être reçu par le directeur de cabinet du Premier ministre. et je lui ai dit, j'ai dit, ça ne va pas. Vous allez laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas 500 000 un paysan, où est-ce qu'il va sortir 500 000 Ici au Niger, un paysan n'a pas 150 000 francs. Pour des cas comme ça, qu'est-ce que vous faites Non, je n'ai pas fini. Parce que le Burkina, immédiatement, le, Premier ministre a intervenu. Le, monsieur a été pris en charge. Une semaine après, c'est la, femme du président du Burkina, la présidente, qui a téléphoné à Niamey pour me faire venir par son protocole. Il m'a dit, elle m'a dit, j'ai bien fait et que d'aller voir mon malade et, qu'elle a donné des instructions. Ça, ça m'a plu parce que j'ai su que il y a des gens, il y a des autorités qui, écoutent les gens. Ici au Niger, euh, quand même aussi, il y a une certaine amélioration. Vous avez parlé de l'État. Euh, oui, oui. Le docteur a fait la comparaison avec l'État. L'État, l'État fait de son mieux. L'État fait de son mieux. Mais le budget ne suit pas. le budget n'est pas suffisant. Le budget n'est pas suffisant. on, va on laisser docteur Hassan répondre peut-être à toutes ces interrogations sur la prise en charge là-bas à Zender. Docteur oui, voilà. Donc, euh, il y a un problème de matériel, il y a le coût, 3 000 francs, alors qu'à Niamey, c'est 1 000 francs. Euh, oui, Comment vous. Donc, je suis technicien l'épargne, c'est l'hôpital, euh, voilà, c'est la direction de l'hôpital qui agit. Au départ, quand j'étais venu, c'était gratuit, l'épargne. En ce moment, je pense en 2013, j'avais cinq patients. J'ai attiré l'attention de l'administration pour faire payer comme année les 1000 francs. Maintenant, avec le nombre, on a actuellement une quarantaine. Peut-être que c'est coûteux pour. Euh, une quarantaine d'insuffisants rénaux Oui, une quarantaine qui dialyse en groupe, c'est moi dans mon temps. Donc, ça fait quelques mois que c'est à 3000 et c'est au niveau de la direction de la pharmacie de l'hôpital. Maintenant, par rapport au problème de matériel, la dialyse se passe normalement, mais c'est le kit. Le kit, bon, c'est un certain nombre d'éléments. Par le kit en entier, c'est par exemple les gaz stériles, il se L'hôpital fourni, c'est insuffisant et tout ça peut être, si allié à ligne, mes instructions, c'est que voilà, tant que tu n'as pas, euh, euh, tant qu'il n'y a pas de gaz stériles, il faut faire payer le patient. Tant qu'il n'y a pas de geste il faut travailler dans les règles d'asepsie. Et ça, je pense, euh, Ali, il est infirmier, il est en même temps patient, il peut le vérifier si ces consignes-là ne sont pas. Euh, Sinon, vous, vous reconnaissez qu'il y a des difficultés quand même. Euh, oui, il y a des difficultés, Parce que ça fait comme depuis quelques deux, trois mois, il y a une commande qui est dans les mains de Bolloré chaque fois, bon, nous, on demande, on dit que c'est toujours avec Bolloré. En tant que technicien, je ne peux pas vous dire là où c'est. On va revenir au studio avec Dr Salamatou. Vous aussi, vous êtes avec les malades à l'hôpital euh, au CHU de Niamey. Mm. Vous avez effleuré quelques problèmes, notamment le fait que vous ne pouvez pas prendre les malades à trois séances par, semaine. C'est déjà une, partie de difficulté. E-, est-ce que vous avez, comment vous faites pour satisfaire les malades Est-ce qu'il y a assez pour le faire j'ai pas compris. Est-ce que vous avez assez de matériel sur le coût Comment vous faites pour euh, satisfaire les, malades non, tous les patients chez nous, il n'y a pas un problème actuellement. C'est vrai, un moment, on avait un problème de kit, mais qu'on a résolu très rapidement. Pour le moment, nous, on n'a pas de problème de kit. On n'a pas de problème de kit. Le seul problème, bon, le problème qu'on a, le problème majeur, c'est le problème des cathéters. Pour les patients qui n'ont pas de fistule. Donc avant d'avoir la fistule, il faut dialyser à l'aide d'un cathéter. Cathéter de dialyse, ce n'est pas le cathéter qu'on met, le cathéter ordinaire, c'est un cathéter qui coûte 45 000 francs. Et la majorité des patients n'ont pas ces 45 000 francs. C'est un cathéter, <clears throat> on le place aujourd'hui, ça peut se gâter demain. Ça dépend de comment on l'entretient. Ça dépend l'entretien, ça dépend non seulement du patient, de sa propriété, et également des techniciens qui manipulent euh, également euh, le cathéter. Si le cathéter est bien entretenu, ça peut durer longtemps. Mais si c'est mal entretenu, on peut le placer aujourd'hui et que ça se gâte demain. Et il faut acheter un autre cathéter et là sortir 45 000 francs du coup. C'est pas facile. Ce qui fait qu'on a, a des cas où on perd les patients parce que le cathéter est infecté. Il n'a pas pu acheter un autre cathéter on perd les patients comme ça. Oui, justement, sur ce problème, euh, peut-être Adam, vous va donner plus de précision mm. Vous qui êtes malade et vous êtes avec les malades, quelle est euh, dans la, difficulté de la prise en charge aujourd'hui On a parlé du coût, 45 000 francs le cathéter et bien d'autres choses qu'il faut prendre en charge, euh, même si l'État intervient. Comment vous faites pour... Vous, apparemment, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas dans le cas. Vous, savez, les malades de Niamey, on n'est pas une quarantaine, hein, on est presque 200 on au CHU. oui, au CHU. On n'a pas ce problème-là. On n'a pas le problème de médicaments. Parce que euh, les médecins ont négocié une ONG qui nous fournit les médicaments. Tous les mois, on te donne un bon de médicaments, tu vas prendre gratuitement. Donc moi, ça fait longtemps que moi, je n'ai pas acheté de médicaments. Je n'achète pas les produits. Donc, c'est pour dire que la prise en charge est totale à, Maradi, euh, pardon, c'est presque total. Non, c'est pas total parce qu'il y a les examens. Il y a des examens qu'il faut faire. Les examens de cardiologie, les, de pneumologie, de, de, de, machin, de, de, des os et tout. Il faut les faire. Ça, là, il faut payer. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais les, les produits, on n'a pas les mêmes problèmes que Zender. On n'a pas les mêmes problèmes que Zender. Et nous le regrettons d'ailleurs. Donc, on peut retenir pour Niamey la satisfaction, c'est une certaine satisfaction dans la prise en charge. Oui, parce que les, médecins se sont euh, débrouillés pour avoir une ONG qui nous fournit, en tout cas jusqu'à jusqu'à peu de contrat, qui est en train de nous fournir les produits à tous les malades. Nous allons à Zender avec Dr Hassan. Docteur, face à ces difficultés, comment vous faites pour satisfaire les malades je vous dis c'est difficile hein, parce que je salue, voilà, je ne sais pas par quel mécanisme. Ici, j'ai essayé même moi avec des ONG pour pouvoir un peu amortir le coût. Parce que quand vous essayez d'analyser l'ordonnance d'un ça fait pas moins de 30 000 si vous voulez euh, être bien traité. Donc tout ce qui nous arrive, c'est qu'ils euh, euh, n'ont pas de revenus. Hein à part les alliés qui sont fonctionnels, ils n'ont rien. D'autres fois, même à manger, c'est nous qui le donnons. Parfois, on jongle avec certains délégués médicaux, envoie des échantillons. Voilà. C'est avec ça qu'on essaie, par exemple, les antihypertenseurs à donner aux patients. Euh, avant de, avant de, euh, y de m'arrêter là, j'envoie à la prise en charge. La prise en charge, il ne faut pas voir seulement la dialyse. comme dit un de nos maîtres, la dialyse, c'est de la néphrologie. Il y a des cas d'insuffisance rénale qui ne sont pas en dialyse. Ça, notre rôle, c'est de les stopper. Par exemple, les patients qui sont diabétiques, hypertendus ou bien qui ont cette euh, protéine dans les là, avec des bons traitements, on arrive à arrêter la progression de la maladie rénale. Je pense qu'on ma est là, c'est là-bas que nous devons axer et le dépistage. Parce que la dialyse en tel que c'est un traitement, on ne doit pas se focaliser. Même euh, pour la prise en charge, euh, l'association devait penser à comment on appelle, améliorer le, euh, le, plateau de la néphrologie. Justement. La, dialyse, on va arriver à un moment où on ne peut pas prendre tout le monde en charge. Donc, le mieux, c'est de faire la néphroprotection, arrêter la progression des maladies rénales excusez-moi, et faire le dépistage. Justement, comme vous, êtes, vous avez prononcé le mot dépistage, comment dépister Comment faire le dépistage Oui, le dépistage, généralement, on le propose à tout euh, un patient qui a un facteur de risque de maladie rénale. C'est quelqu'un qui est hypertendu, diabétique, il faut lui proposer. Il a un âge avancé, il faut lui proposer. il n'a pas de tous ces facteurs. Quelqu'un qui est obèse, comme euh, le terme de chaque année, c'est de obésité et rare. À part ça, il y a certains patients qui tentent ce qu'on appelle la protéinurie pathologique dans les urines. C'est simple, c'est une bandelette urinaire. La boîte de 100 bandelettes, ça coûte moins de 12 500. Avec ça, ça vous donne beaucoup d'informations et ça permet, en tout cas, de dépister certains qui, ont une maladie rénale chronique, qui ne sont pas encore en insuffisance rénale. Avec des bons traitements, on peut arrêter l'évolution de la maladie. Je pense en tant que néphrologue, avec nos conseils, on, nous sommes en train de nous voir L'accent doit être mis sur ça et non se focaliser uniquement sur la dialyse. Désolé, comme je dis, la dialyse, c'est l'échec de la néphrologie, c'est extrêmement coûteux. Euh, euh, on ne peut pas prendre tout le monde en charge. Ça, je vous dis la vérité dans les années à venir. D'accord, docteur. Euh, nous revenons au studio. docteur Salamotou, un mot sur le dépistage et, son importance. oui, le dépistage, moi, je commencerai d'abord avant le dépistage par la sensibilisation. Ça, c'est la prévention. Peut-être qu'on va, on va revenir là-dessus. Ah, le dernier aspect. OK. Ou bien ça doit revenir avant les deux. Allez-y, allez-y. Bon. Le dépistage, euh, pour moi, ça fait partie de la prévention. Absolument. Allez-y. fait alors. partie de la Parlons de la prévention la prévention, euh, avant de parler du dépistage, il faut d'abord sensibiliser la population. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui que c'est que la maladie rénale, comment ça se manifeste, qu'est-ce qui peut entraîner ça, qu'est-ce qui vous expose à faire une maladie rénale. Maintenant, si la population a bien compris cela, on peut procéder au dépistage, surtout les campagnes de dépistage. C'est gratuit Et ça peut être gratuit, oui. Pour moi, ça doit être gratuit. Pourquoi je dis ça peut être gratuit Et il ne s'agit pas seulement de dépister les patients à risque. Les patients à risque, c'est-à-dire les hypertendus, les diabétiques, comme ce que le docteur Hassan vous avait dit. Ça, c'est les patients à risque. On sait tôt ou tard, ils vont faire la maladie rénale. Il faut les dépister. Ou bien les patients qui ont les protéines dans les urines. Vous savez que tôt ou tard, ils vont attirer là-bas. Non, moi, je ne parle pas seulement de cela. La population en général. Il faut procéder à et comment on appelle ça, au dépistage de masse, des, des, campagnes, de sensibilisation d'abord. Il faut expliquer à la population. Ensuite, on procède au dépistage. Le dépistage, c'est simple. Le patient urine dans un bocal, on met la bandelette et ça nous permet de dire si les reins souffrent ou pas, à, la juste lecture de la bandelette. Ça, c'est pour tout le monde avec la prise de la tension artérielle. Moi, je pense qu'on doit commencer par ça. C'est gratuit. Ça doit être gratuit. Bon, les bandelettes, si on a les bandelettes, parce qu'il faut acheter, il vous a dit une boîte coûte 12 euh, 000. Si on a les boîtes, on peut cibler par exemple un quartier. Où on va dire que ce mois-ci, on va faire le dépistage d'un tel moyens, quartier. Est-ce qu'il y a un âge pour l'insuffisance rénale Il n'y a pas d'âge. Mais j'ai vu un nouveau-né d'une semaine qui venait avec une insuffisance rénale terminale. Euh, Monsieur Moumouni un conseil pour euh, euh, les populations Non, moi, je, si j'ai toujours dit de, que les médecins doivent voir avec le ministère et l'OMS, euh, ils doivent, on doit leur donner les moyens d'aller faire le dépistage. C'est de faire une caravane à travers tout le Niger. C'est une caravane. Nous avons des néphrologues qui sont de bonne foi qui ont, qui ont, ils, le font gratuitement à Niamey. Ils ne demandent rien. On n'a qu'à les aider pour faire le dépistage à travers tout le Niger. Dieu seul sait. Il semble que il y a, il y a plus de 700 euh, 000 personnes qui ont l'insuffisance rénale au Niger, qui ne sont pas connues. Vous avez une idée de 700 000 C'est un peu long. Oui. D'accord. Environ. et, et ça, je vous dis que l'État doit, voir avec l'OMS de mettre les moyens à la disposition de ces, techniciens-là pour qu'ils fassent le dépistage à travers tout le Niger. ce, mois-ci, on a fait un dépostage à la garde nationale. Hmm. À la garde nationale. Moi, je l'ai voulu qu'on aille à la prison civile. D'accord. Où est-ce qu'il faut aller pour dépister rapidement, pour conclure Ça dépend. Et un on prend, conseil on prend, On prend, juste une cible, une zone. Un exemple. Moi, simple citoyen, si je veux me dépister, où est-ce que je dois, aller En néphrologie. Les services sont ouverts. Les services sont ouverts pour tout le monde. Mais il faut avoir les 12 000 francs pour acheter. Non, non. 12 000 francs dont Hassan vous a parlé, c'est une boîte où il y a, je pense, il doit avoir 100, ou 50 bandelettes. Et donc, ça, c'est pour 50 personnes. Si c'est 50 bandelettes, donc on peut dépister 50 personnes. Par exemple, là, votre studio, vous pouvez décider de dépister tout le monde. Vous achetez votre boîte. Nous, on va vous le faire gratuitement. Et, et par rapport à ça, j'interpelle même les sociétés. Ils peuvent dépister leur personnel. Parce que si la personne tombe en insuffisance rénale chronique, ça va coûter cher à la société parce qu'il va falloir le vaquer, ça c'est des millions. avec qu'avec une centaine de millions ou bien même pas 50, vous pouvez dépister euh, tout le monde dans la société. Donc là, j'interpelle tout le monde. Merci beaucoup euh, à vous, docteur Salamatou Niaouro, du service de néphrologie de l'hôpital national de Lamordé. Merci à vous, docteur Hassan Djongole, vous qui êtes en ligne. Vous êtes euh, médecin-chef du service de néphrologie de l'hôpital national de Zender. Et merci à vous, Adamou Moumouni, le président de l'association des dialysés. Nous avons parlé de l'insuffisance rénale. Prochain thème, on se retrouve demain donc. Bonne soirée. うん。